Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 18h passé de 15 minutes dans le studio Kalangou. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du Forum de la presse, votre rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité de la semaine et ce avec des confrères des médias de Niamey. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité et qui ont attiré notre attention s'articulent autour du deuxième Forum international sur le développement de la région du lac Tchad qui se tient à Niamey depuis le 23 mai. Ensuite, la tenue le 18 juin prochain des élections législatives partielles de la diaspora. Enfin, la campagne de vaccination contre la meningite a lancé cette semaine dans la région du Zender par les autorités en charge de la santé. Pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Madame Maimouna Djadou, et les journalistes indépendantes Bonsoir Maimouna. Bonsoir. Armi Abba, journaliste à la radio alternative. Bonsoir. Bonsoir. Garé Amadou du quotidien La Nation. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Nafissa Adam Sirfou à la modération. あ Bonsoir à tous et bienvenue. Depuis le 23 mai, se tient à Niamey le deuxième forum international annuel sur le développement de la région du lac Tchad. Ce forum placé sous le thème intégration régionale et gestion des risques liés aux ressources, solutions pour une paix et un développement économique durable de la région du lac Tchad est organisé par le secrétariat exécutif de la commission du bassin du lac Tchad. Il a pour but de permettre aux différents participants de jeter les bases d'un dialogue constructif sur la manière possible de passer d'une réponse humanitaire à celle de développement dans le bassin du lac Tchad. Ainsi, au cours de cette rencontre, les problèmes qui font l'actualité dans ce au niveau de ce lac Tchad ont, euh, seront débattus. Je commence donc avec vous, Monsieur Arimi. Autant de problèmes euh, dans ce lac Tchad. Dites-nous d'abord quels sont d'ailleurs ces problèmes que vous avez connaissance écoutez, c'est désormais connu, euh, malheureusement, tristement célèbre la, le bassin du lac Tchad euh, ces derniers temps. Mm. Euh, c'est d'abord l'insécurité. L'insécurité grâce, enfin, à cause de l'insurrection armée de la secte Boko Haram, mm. n'est-ce pas, mm-hmm. qui a touché tous les pays riverains du lac Tchad euh, le Tchad, le Niger, euh, le Nigeria, le Cameroun. Hmm. Euh, en plus de ça, il y a le changement climatique. les spécialistes disent que le lac Tchad est aujourd'hui à 25% de son niveau de 1960. Mhm, mhm, mhm. donc a diminué vraiment du simple au quart. C'est énorme. énorme. Et on dit aussi que cette ce lac n'est-ce pas, vivent euh, autour de ce lac-là, vivent 30 millions de personnes qui mhm. sont euh, attachées, rattachées vraiment euh, à l'existence de ce, cette cour d'eau. Mhm. Et donc, plus ça se rétrécit, plus les gens vivent donc de la pêche, mhm. de l'agriculture. C'est une zone extrêmement riche, extrêmement à le poisson, le poisson et surtout l'agriculture, le maïs, le blé. Euh, et l'agriculture sous pluie, c'est extraordinaire. Vous ne pouvez pas imaginer que c'est, par exemple, une portion du Niger qui est si riche que ça. Il faut s'y rendre pour savoir. C'est une zone, euh, je dirais, en poisson peut fournir tout le Niger, mm. n'est-ce pas, ainsi que euh, avec certains certains produits vivriers tels que le blé et même le maïs. Mm. mais aussi, c'est une zone de migration. Euh, toute l'Afrique de l'Ouest se retrouve euh, au bassin du lac Tchad, côté Niger et mhm. côté côté Tchad. Mhm. Vous avez vu quand le dégrépissement de, des îles a été décrété, il y a des Sénégalais, des Maliens, des Burkinabés qui, sont venus passer par mhm. des bus entiers souvent. Euh, donc c'est vraiment une zone qui a été très affectée par le changement climatique, d'abord global euh, global de, ce lit-là, mm. qui a été entamé depuis plusieurs euh, dizaines d'années mm. et qui se poursuivait et le coup de grâce ou l'accélération en tout cas qui est intervenu ces derniers temps avec tantôt euh, des, des, des, sécheresses, tantôt vraiment des inondations mhm. euh, qui ont dû engloutir vraiment des hectares et des hectares de, de culture. Mhm. Euh, mais aussi avec l'insécurité, les, gens ne sont plus capables parce que les îles, oui, les îles ont été déguerpies, les villages environnants ont été ont été déguerpies et donc les gens se sont retrouvés autour du goudron et ceux qui ont d'autres lieux pour aller s'y rendre sont allés. Donc c'est ce genre de problèmes qui se sont posés parce que euh, une fois je disais à quelqu'un que le lac Tchad, il est euh, le lac Tchad est pour euh, son bassin, pour la population riveraine, ce qu'était le Nil pour l'Égypte ancienne. C'est-à-dire, oui, c'est une grande ancienne richesse, mais pas que. C'est tout un mode de, de, de vie, c'est vraiment toute une culture, c'est des événements culturels, des mhm. événements euh, économiques, mhm. n'est-ce pas, qui sont en train vraiment de se dissipé par le temps. Et l'insécurité est venue donner un coup vraiment d'accélérateur à cette disparition-là. Malheureusement, et le lac continue donc de se rétrécir. Justement, Au cours donc de cette rencontre, même le Premier ministre a annoncé que, à raison des effets du changement climatique, le lac, comme vous le disiez, le lac a perdu 90% de sa surface en eau en l'espace de 40 ans. Garé, Amadou, outre les effets du changement climatique, selon vous, quelle autre situation a vraiment impacté ce, ce, bassin du lac Tchad. C'est peut-être les, inondations, mais le principal, en tout cas, euh, effet que le lac Tchad a subi, c'est vraiment celui des changements climatiques. Mm-hmm. Parce que quand un, lac aussi important, qui a une grande histoire, hein, qui, est partagé par plusieurs pays, euh, le Niger, le Nigeria, le, Cameroun, le Tchad, voilà, qui, et qui, qui charrie vraiment toute une histoire et toute une, toute une culture, toute une économie forcément quand on vous dit que 90% de, de, la de, de la de, de, sa, oui, sa capacité a été a été réduite, c'est vraiment un drame pour les populations de ce de ce de, cette zone là. Mm-hmm. un drame et ce qui explique, je pense, la mobilisation de la communauté internationale autour des pays euh, qui sont qui ont ce, ce lac là en partage pour euh, euh, organiser en tout cas des réflexions pour trouver des voies et moyens pour pouvoir faire en sorte que l'un des objectifs de ce, forum, là qui, est le deuxième qui est le deuxième en moins de six mois effectivement ça prouve mhm. l'urgence l'urgence oui qu'ont en tout cas ces pays là et la communauté internationale à sauver ce, ce lac là mhm. moi je me rappelle d'un en tout cas d'un projet qui était je ne sais pas ce qu'il est devenu il était question de faire en sorte que euh, les, eaux du bassin du lac Congo qu'on puisse les faire acheminer pour que le, le, vers, vers, le lac Tchad je ne sais pas comment est-ce que les spécialistes voulaient le faire parce que le, voilà, le fleuve Congo aussi est partagé par plusieurs pays, mais il était question d'une sorte de projet gigantesque mm. pour faire en sorte, voilà, d'exploiter et, faire en sorte que l'eau du fleuve Congo puisse venir au niveau du lac Tchad mm. et permettre euh, euh, au lac Tchad de retrouver son. C'est des réflexions comme ça. Oui, voilà. Et donc, et donc, c'est très bien que mm. euh, ces réunions-là se, déroulent ici, n'est-ce pas Peut-être que la troisième réunion va se dérouler au Tchad ou je sais pas au Nigeria, mais c'est bien que, en tout cas, toutes les parties prenantes, tous les spécialistes, tous les experts puissent se réunir et réfléchir à voir comment est-ce qu'il faut faire pour sauver le lac Tchad. Parce que si le lac Tchad meurt, c'est vraiment toute la zone qui va mourir. Effectivement. Mais Mouna, si le lac Tchad meurt, c'est toute la zone qui meurt. Les conséquences sont directes selon vous, sur la population les, conséquences, Les conséquences sont directes sur la population, puisque ce sont des populations qui vivent là-bas mhm. et qui tirent un profit donc de ce lac Tchad. Euh, tout de suite, les confrères ont énuméré que c'est le lac Tchad fournit en quantité euh, le poisson, mhm. euh, permet à ces populations qui sont là-bas de faire l'agriculture. Mhm. Euh, au-delà de l'agriculture, il y a beaucoup de choses que, que, que ces, ces, populations pratiquent. Et, et donc, donc, il faut sauver les ressources naturelles. Il faut faire en sorte que ce lac Tchad ne puisse pas disparaître. Mhm. Que lac parce qu'il y a également ce problème de l'ensablement mhm. euh, dû justement au phénomène du changement climatique. Donc, il faut essayer de revoir, en tout cas en termes d'humanitaire, mhm. comment est-ce qu'il faut améliorer les conditions de ces populations et surtout que aujourd'hui c'est une zone où il y a plus de déplacés plus de déplacer, en tout cas, vers euh, la zone du, lac Tchad, mhm. où on dénombre des femmes mhm. et des enfants mhm, qui sont vraiment dans une situation un peu inconfortable, où il faut euh, également les, les, aménager, les secourir, comme il faut le dire, et, les, oui, les assister davantage. Donc, je pense que euh, les autres ont déjà énuméré tout, puisque c'est l'insécurité, puisque c'est également une zone qui est humide, donc c'est bien normal qu'on assiste à une insécurité de mm-hmm. l'autre côté, mm-hmm. puisque l'incursion, le Boko Haram savent, et savent déjà que c'est une zone où c'est une zone qui est très riche, donc il faut essayer de s'en approprier aussi. Et en faisant quitter cette population, pourquoi pas Maintenant, c'est vraiment euh, à ces pays, à ces États-là, de voir comment est-ce qu'il faut faire pour relever en fait euh, ce défi-là euh, du changement climatique et puis justement ce forum a été l'occasion aussi euh, d'avoir des échanges sur la révitalisation du lac Tchad et les problèmes clés qui affectent la région. Et une de nos équipes s'est entretenue avec le professeur Ibrahim Banagoni du département géologie de l'université de Maiduguri. Il nous édifie sur les méthodes d'utilisation des eaux du lac Tchada et les semences appropriées pour une bonne production. On l'écoute. Nous allons désormais prêter attention. Comme quand les pluies diminuent, le cours d'eau diminue aussi pour voir comment avoir les semis et que la population puisse trouver suffisamment d'eau pour travailler dans la zone. Il a été dit que le lac Tchad se rétrécit. Comment donc les gens vont vivre dans cette situation Il va falloir faire des études afin de trouver aux populations des semences qui peuvent évoluer même avec peu d'eau et produire abondamment. D'aucuns travail sur l'insécurité due à Boko Haram dans la zone. qu'il essaie de trouver les voies qui permettent d'éradiquer le phénomène. Peut-être certains, c'est parce qu'ils n'ont pas du travail qu'ils se sont lancés dans la violence. Qu'on leur trouve des activités à mener, telles que l'agriculture, l'élevage. Pour cela, ils ne seront pas enrôlés par les groupes armés. C'était là donc le professeur Ibrahim Babagoni du département géologie de l'université de Meiduguri qui nous parle donc euh, des alternatives à suivre pour vraiment euh, profiter de ces ressources naturelles du bassin du lac Tchad. Armi, qu'est-ce que vous pensez vraiment de cette euh, alternative proposée par le professeur pour vraiment revitaliser ce bah, lac Tchad Je propose, de réfléchir mhm. et de trouver vraiment des espèces et des races qui conviennent à cette zone. Mhm, mhm. Comme vous le savez, en ce qui concerne le Niger, le lac Tchad, c'est la zone de prédilection de la race, par exemple, Kouri. En ce qui concerne les vaches, c'est une espèce avec des grosses, cornes, qui leur permettent justement de flotter dans l'eau et de mm. traverser, mm-hmm. quelle que soit la quantité d'eau qu'il y a. Mm. Euh, c'est des vaches, on a vu en les euh, chassant des îles du lac pour revenir sur la terre ferme, mm-hmm. beaucoup sont mortes n'est-ce pas, ils ne peuvent pas résister l'alimentation parce que c'est des vaches 12 mois sur 12 qui vivaient de d'herbe, n'est-ce pas, mhm. et il n'y en a pas sur la terre ferme. Mhm. Euh, c'est l'année, moi j'ai fait le portrait d'une dame, elle aussi déplacée interne, euh, qui avait par exemple mhm. une, un troupeau qu'elle a constitué avec une seule brebis, elle m'a dit, et qui était à 100 et quelques euh, brebis, en sortant de la mer, euh, de, de, de, de, de, l'eau. Mhm. Et quand elle est venue, à dix fois, quand je l'ai trouvée, elle n'en avait que deux. Euh, autrement dit, c'est-à-dire certaines ont été volées, mhm. volées d'autres par fatigue, euh, elles sont mortes, mhm. mais le climat aussi ne leur convient pas. Et c'est valable pour les hommes aussi. Il ne faut pas. Certes, l'homme a plus de possibilités de s'adapter, mais du point de vue de sa vie, c'est qu'il perd justement quand il quitte un tel machin Mhm. Donc il faut créer les conditions pour mhm. que les gens vivent correctement dans leur euh, terroir. Mhm. Euh, j'ai entendu parler de l'eau de Lubangui Chari qui va ça c'est des chantiers vraiment euh, pharaoniques, gigantesques et qui méritent beaucoup de réflexion. Moi, je me pose beaucoup de questions sur sa faisabilité, mais pourquoi pas Il faut essayer parce que euh, peut-être qu'il y a aussi d'autres moyens, parce que jusque-là, euh, après qu'elle s'être retirée du territoire nigérien presque totalement, le lac est quand même revenu ces dernières années mhm. jusqu'aux abords de Ngimi, mhm. euh, jusqu'aux abords de Verboso. Tout ça, c'est possible. Donc, mhm. en tout cas, il y a matière à réflexion et ça urge. C'est si urgent que euh, c'est la population d'elle-même qui risque de s'en aller ou de ne pas retourner pour ceux qui se sont déplacés. Mais, est-ce que la population à elle-même, est-ce qu'il existe d'autres alternatives qu'elle pourrait vraiment adopter pour euh, vraiment bénéficier de ces ressources naturelles-là Mais justement, je crois que c'est ça, le, c'est de cela que le professeur a mhm, parlé mhm. tout à l'heure quand il parlait euh, en tout cas des recherches qui sont en cours pour mhm. trouver par exemple dans le domaine agricole les moyens pour que euh, les, habitants de, de, la zone du lac Tchad puissent cultiver, n'est-ce pas, en tout cas c'est euh, euh, euh, des, des, graines qui peuvent mhm. supporter peu de pluie, mhm. enfin peu d'eau en fait, mhm. je veux dire, parce que la plupart du temps c'est des cultures maraîchères que les gens font. Vous avez le, poivron, etc., etc. Vraiment, mais surtout comment est-ce qu'on peut, je crois que on, peut on peut cultiver ça dans une zone où il n'y a pas assez d'eau. Je crois que ce sont des réflexions comme ça qui sont menées et c'est à ça que c'est des instituts comme l'IRNA, comme l'ICRISAT qui sont en train justement de faire des recherches. Parce que il euh, euh, euh, faut pas oublier que c'est pratiquement une situation qui concerne toute la zone du Sahel. Mhm. Le Niger est un pays où la pluie n'est jamais suffisante. et, donc, ces voilà, ces réflexions-là, ces réflexions-là sur la culture, mais ces réflexions. Hein, mhm. la matière centrale c'est le poisson. Le poisson, oui. C'est-à-dire, c'est une zone où même le troc, c'est fait sur la base du poisson. Tu travailles euh, physiquement, on te paye avec du poisson. Mhm. Tu travailles jusqu'à avoir, par exemple, la charge d'une 4x4, mhm. tu remplis et toi-même, tu vas vendre et tu reviens. Mhm. Ou tu veux construire quelque chose, c'est avec ça qu'on te paye. Et si tu as des tissus, tu donnes les tissus, c'est du poisson qu'on te donne. Donc la matière centrale, c'est d'abord le, poisson. Comment sauvegarder vraiment la production et la en quantité euh, ça, même le dixième ne rentre pas au Niger en réalité, le poisson qui est produit là-bas. Ça va surtout au Nigeria mhm. et ça va jusqu'au fond, fin vraiment du, Nigeria. Euh, comment faire Gary, rapidement. Comme Arémi l'a dit, effectivement, c'est la culture du poisson et vraiment c'est ça qui concentre l'économie de la, de la mm. zone. Mm. Moi, je ne peux pas aller à Difa sans commander du poisson. Dès que j'atterris, c'est la première chose. le poisson séché, c'est très bon dans les, dans les sauces. Mhm. C'est vraiment du poisson de très bonne qualité. Même le poisson frais, Même le poisson frais. Hein, Mais surtout le poisson. En tout cas, pour les voyageurs, c'est des colis de poisson séché qu'il faut, qu'il mhm. faut commander pour amener chez soi et pour madame pour qu'elle puisse préparer. <laughs> et donc, euh, c'est vraiment, c'est vraiment très bien. Mais les réflexions, justement, c'est pourquoi il faut faire, tout faire pour que le, euh, le pour en tout cas, euh, réengorger un peu le, lit du, lac pour que le lac puisse, puisse rester, parce qu'il s'est reste, à du poisson. Mhm. Mais en, en, dehors du lac, de, de, cette culture de poisson, ceux qui font des cultures, par exemple le poivron, etc., etc., mhm. comment faire pour trouver le bon, le bon, les bonnes graines qui puissent supporter peu de peu de peu d'eau mhm. et qui puissent produire aussi en quantité. Ce que j'ai dit, ce sont des réflexions qui sont en ah, cours et ce sont des recherches qui sont en cours au niveau de l'INRA et au niveau des, centres comme l'ICRISAC. En réalité, c'est une situation nationale. C'est un pays où il n'y a pas assez de pluie, où il faut cultiver, où il faut faut trouver des moyens pour trouver des semis qui puisse supporter peu de pluie et qui puisse produire. Et nous espérons qu'au sortir de cette rencontre, qu'il y ait des solutions vraiment solides pour sauver ce bassin du lac Tchad et faire profiter à toute la nation les ressources naturelles. Nous passons donc au deuxième sujet du forum de la presse un sujet santé. Une campagne de vaccination contre la meningite a été lancée cette semaine dans la région du Zender par les autorités en charge de la santé. Selon des chiffres du dit ministère de novembre 2022, à ce jour, 1813 cas de meningite ont été enregistrés au Niger, dont 102 décès et la région de Zender est particulièrement touchée avec 1473 cas signalés, dont 84 décès. Je reste toujours avec vous, Memouna Tchado. Quelle réaction vous suscite à ces chiffres euh, C'est énorme. C'est énorme en termes de chiffres hein, pour un pays euh, 6 000 et quelques sont déjà détectés et que il y a eu plus d'une centaine donc, euh, de, décès. Ça veut dire que ça, l'alerte est déjà <laughs> préoccupante hein, au niveau donc euh, du, pays. d'ailleurs cette campagne vraiment. campagne de vaccination qui a été lancée. Mais je pense que chaque année, c'est surtout cette région en tout cas qui connaît euh, véritablement l'augmentation des, oui, des, chiffres au niveau donc, de Zender. Parce que tout simplement, quand vous regardez Zender, c'est une frontière avec et ça s'exporte. Ça s'exporte hein, parce que méningite là, ça vient aussi, hein, ça vient de ces pays-là en fait. et, et il faut pas aussi oublier que euh, il y a la migration. Il y a tellement d'afflux donc de migrants aussi mhm. qui fait en sorte que cette zone est des fois confrontée à cette mhm. situation-là. Mhm. Mais je me dis qu'avec euh, cette la pluie qui commence déjà donc à tomber, parce que, euh, parce que, nous nous ce qu'on nous disait avant que s'il y a une euh, pluie qui tombe, ça fait en tout cas euh, ça tue le virus ou bien ça. Oui, oui. Mhm. Donc il y a une possibilité que on ne puisse dénombrer mhm. des cas de décès, mhm. mais euh, bon, il faut pas s'en tenir à ça. Euh, c'est bien que la vaccination puisse être, en tout cas, a, été lancée dans cette région et que les autres régions aussi vont suivre pour pouvoir donc vraiment éradiquer ou solutionner, ne serait-ce que un petit temps, conserver euh, déjà ne pas dépasser déjà en tout cas le pic euh, de, de, cette situation là mhm. et donc c'est déjà bon et euh, nous souhaitons nous souhaitons que ça continue davantage parce qu'il faut pas lancer et ne pas continuer c'est c'est également et donner les doses nécessaires à ceux qui en ont besoin. Mhm. C'est très important aussi. Au fin fond, donc de cette région de Zender. Ah, d'accord. Armi, c'est 1473 cas qui ont été signalés de la région de Zender à elle seule et 84 décès, ce qui est énorme. Énorme. Mhm. C'est énorme. C'est presque. Euh, euh, Sur les 1813 cas c'est presque 4% ou 4 ou 5% de, mhm. de décès, c'est énorme, mhm. quelle, que soit la, quelle que soit la maladie. Euh, maintenant, en fait, comme je l'ai dit euh, une fois, c'est, on sait, on ne sait pas d'où est-ce que ça sort. C'est une bande qu'on nous a dit, sahélienne, mhm. n'est-ce pas Voilà qui va de l'Éthiopie jusqu'au jusqu'à Mauritanie. Et chaque année, il y a au moins euh, une épidémie qui se déclenche. Mhm. Maintenant, selon les réactions, ça s'arrête ou ça continue ou il y a plus ou moins de, morts. Moi, je pense que il faut, c'est certainement ce qui s'est passé, mhm. mais il faut encore plus que ça. Parce que 84 morts, c'est énorme. Mhm, Autrement dit, d'un moment à l'autre, ça peut exploser, ça peut toucher beaucoup de monde. Moi, je pense qu'il faut positionner une euh, réaction prompte vraiment à temps. Parce que ça va venir chaque année à la même période. Et ce qui est grave, la chaleur augmente. Mhm. Et apparemment, ça a un lien vraiment étroit avec la, chaleur. avec, elle augmente les cas des, justement, Justement. Mhm. Et donc, c'est peut-être que euh, le, virus est là, quelque part, euh, latent, et il entre il attend peut-être une répétition ou une euh, température quelconque. Et donc, il faut faire attention et être vraiment alerte, mm-hmm. prévoir, agir mm-hmm. pour qu'il y ait le moins de morts, pour qu'il n'y ait pas de morts du tout. Mm-hmm. Je pense qu'on peut le faire dans ce pays. Et c'est parce que bientôt ça sera euh, le, le, paludisme. Parce que quand la méningite s'en va, c'est le paludisme qui s'invite. Euh, Dieu merci, on a développé tellement d'anticorps que euh, c'est moins de morts. Mais j'ai vu des pays comme le Ghana mm. qui sont déjà en train d'expérimenter la, vaccination qui a été découverte mm. et qui disent que les résultats sont probants et mm. tout. On doit donc vraiment prendre de l'avance. Moi, je pense que on dit prévenir, c'est guérir, mais prévenir, c'est justement ça, la santé. Mm-hmm, mm-hmm. Je crois que c'est ça qui doit être vraiment le, le, maître mot mm-hmm. euh, de notre ministère euh, de la Santé. Et euh, vaut mieux ça. Parce que en dehors de tout ce que nous vivons comme difficulté, si nous devons faire euh, face à des problèmes de santé, c'est ce qu'il y a de pire que la guerre, c'est vraiment le problème de santé. À travers le lancement de cette campagne, les autorités en charge de la santé euh, ont vraiment, sont vraiment à saluer, n'est-ce pas, M. Gray Ils sont à saluer, mais il y a quand même des critiques à faire. C'est-à-dire que, comme l'a dit Armi, euh, c'est toute une bande. Et on connaît pratiquement la période au cours de laquelle cette maladie-là survient. Mais bon sang, pourquoi ne pas vacciner les gens avant que la maladie n'apparaisse Parce que le rôle du vaccin, justement, c'est quoi Le vaccin, c'est de prévenir. oui, Merci. Donc, cette après, zone -là, autant de cas... Mais bien sûr, euh, cette zone-là, par exemple, on dit que non, cette zone de Zender, chaque année, il y, a beaucoup de cas de méningite. Mm. Mais pourquoi il n'y a pas de vaccination avant que la période de la méningite n'apparaisse C'est ça qu'il fallait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, ayant ayons quand même beaucoup plus de capacité d'anticipation. Vaccinons les gens avant que la maladie ne vienne. Comme ça, quand elle vient, elle ne fait pas beaucoup de dégâts. Je suis sûr que s'il y avait eu des vaccinations dans cette zone-là de Zender, où il y a eu ces, milliers de cas-là, mhm. il n'y aurait pas autant de morts mhm. aujourd'hui. Parce que ce sont des chiffres qui ont été recensés de novembre à aujourd'hui aussi. Ça, mais qu'est-ce qu'on fait Voilà un de nos comportements. Voilà, officiellement, peut-être. Peut-être pire, que mm. ça. Voilà le problème qu'on a. Mm. C'est-à-dire que nous avons tendance à ne réagir que quand la chose apparaît. Mhm. Alors qu'on sait qu'elle apparaît à des périodes bien précises. Mhm. Donc, vraiment, moi, ce que je veux, je vais, demander aux autorités sanitaires une grande capacité d'anticipation. Il y a certaines maladies qui apparaissent à certains moments. Heureusement, Dieu a fait que la recherche a permis mhm. d'avoir des vaccins pour ces maladies-là. Eh bien, faisons des vaccinations avant que ça n'apparaisse. C'est très simple. Et puis, on évite des morts et on, on sauve des vies. Oui, mais maintenant je voudrais euh, juste euh, ajouter ajouter il faut également la collaboration de la population. Justement, j'allais parce que oui, parce il faut l'implication de la mhm. population. Parce que si les populations refusent à ce que aujourd'hui les enfants soient vaccinés, c'est un autre problème. Mhm. Là, il faut renforcer la sensibilisation au mhm. niveau donc de ces populations-là il faut leur dire que vraiment c'est dans leur intérêt. Mhm. C'est pas quelque chose peut-être, mais c'est juste que on veut sauvegarder des vies. Donc pour les sauvegarder, il faut d'abord l'approbation de, de, de, de, ces pères de famille, mhm. parce que d'habitude euh, dans cette zone, c'est les pères, mhm. les pères qui refusent à ces, à ces, à ces femmes-là d'amener les enfants pour se faire vacciner. Justement, on dit que euh, cette campagne touchera euh, près de 372 000 individus âgés de 2 à 29 ans. Donc, c'est la tranche d'âge qui est la plus vulnérable de 2 à 29 ans. Donc, c'est une tranche vraiment qui... les pères doivent laisser... Les pères doivent laisser, en tout cas, les enfants se faire vacciner. Mhm. Parce que nous sommes euh, jusqu'à présent dans cette loi de patriarcat où c'est <laughs> l'homme. Non, non, mais c'est comme ça. Parce que <laughs> la femme n'a pas le pouvoir sur son enfant. C'est plutôt l'homme qui a le pouvoir sur son enfant. Et quand l'homme refuse à ce que son enfant soit vacciné, donc il faut s'attendre à ce que euh, la méningite ou d'autres maladies ne puissent pas finir de, si tôt, hein. mhm. en tout cas dans ces régions-là. Nous allons marquer une petite pause euh, avant de poursuivre euh, ce débat. Dernier sujet du forum de la presse de ce jour, le 18 juin prochain, se tiendront les élections législatives partielles de la diaspora, des élections qui n'ont pas pu se tenir au moment des élections générales de 2021 à cause de l'épidémie du coronavirus qui sévissait dans le monde. La Cour constitutionnelle du Niger, dans son arrêt du 11 mai, a déclaré éligibles les candidats titulaires et suppliants issus de, deux, de 10 listes de partis politiques sous les 15 transmis à la Cour. Gare Amadou, 10 listes sont donc retenues pour ces élections législatives partielles et 5 ont été recalées. Quelles sont vos appréciations et êtes-vous même optimiste quant à la tenue de ces élections Oui, apparemment, euh, euh, la CENI, comme c'est une CENI maintenant permanente, je crois qu'elle a mis les bouchées doubles pour que les préparatifs puissent bien se, en tout cas, mhm. être, euh, en tout cas, bien être bien faits. En tout cas, ça a été un processus de la convocation. Voilà, vraiment, il y a des étapes, on a mm subi et je pense que c'est déjà une bonne chose. Cependant, ça me, ça me, ça, ça, ça me demande où ça me fait avoir une certaine réflexion par rapport au climat politique, enfin au, à, au, comment je vais l'échiquier politique mhm, nigérien. Mhm. Vous avez un pays où il y a plus de 150, on parle de 200 partis politiques, mhm. mais vous avez seulement 15, qui ont déposé, qui ont déposé des dossiers. Et 10 qui ont été retenus, 5, qui ont été récalés. Ceux qui ont été récalés, bon, ils, ont, ils ont eu ce qu'ils méritent. Parce que j'ai dit, et la politique, c'est une chose très sérieuse. Mm. Et je pense que vous connaissez tous, toutes, en tout cas, toutes les, dispositions légales qui font qu'un dossier doit être, accepté, et ce qui, peut, ce qui peut le fausser. et donc, si vous avez commis des fautes, il faut vous en prendre à vous-même. Maintenant, ça prouve que et, on a une pléthore de partis politiques qui ne servent à pratiquement à rien et mm. qui ne renforcent pas la démocratie. Mm. Ce sont toujours les mêmes partis politiques qui sont présents lors de ces élections-là. Moi, je suis étonné que des partis avec une certaine expérience, comme euh, puissent être récalés. Ça, ça, m'étonne. Moi, je peux comprendre d'autres partis politiques. Des nouvelles, peut-être, partis qui n'ont pas autant d'expérience, voilà, même le PJD Akika qui n'a pas la même envergure que le, le, le, le, le PJD Akika a quand même une expérience politique. Je suis étonné qu'il fasse des erreurs quand même dans la compréhension du dossier jusqu'à être éliminé comme ça. C'est vraiment dommage pour ces partis politiques-là. Mais, j'ai dit, ça peut ça, met en nu euh, le, fait fait qu'au Niger, on a des partis politiques qui ne servent pratiquement à rien. Mhm. Parmi les 200 partis politiques là, on ne parle même pas des élections locales. Il y a mhm. des partis qui ne participent à rien du tout. On les entend. Euh, rien. Ni, ni, les élections municipales, mhm. ni les élections. Euh, aucune élection. Ils sont là. le, président du parti a le parti dans son, cartable. Ben il fait, dès qu'il y a une réunion du CNDP, on l'invite, il vient. il, il vient, il s'assoit. Et donc, vraiment, il y a un travail à faire. Je crois qu'on a le Sénégal, ils l'ont fait. Ils ont dit que non, à partir, il faut qu'il y ait nombre, un certain nombre de signatures mm. pour que euh, euh, euh, ton parti puisse être agréé. Mm-hmm. Je crois qu'il faut qu'on réfléchisse à ça. Mm-hmm. Ça commence à bien faire. Ça commence à être un peu le désordre, comme le grand désordre, mm-hmm. avec des partis politiques qui se créent pratiquement chaque jour, n'est-ce pas Parce que les gens, il n'y a aucune éthique. Ils se disent que c'est la politique qui permet d'arriver à quelque chose, n'est-ce pas Donc, dès qu'il y a des élections, ce sont les petits partis microscopiques là qui grossissent. On dit non, on soutient à tel candidat juste pour avoir des postes. Pour rappel, Garé, on sait qu'il y a deux ans que le Parlement a été installé. Alors, après ces élections, quel sera le sort de ces députés-là Vous savez, c'était une question qui avait été posée à un certain moment. Moi, je suis, je suis mm-hmm. de ceux qui ont posé la question. Mm-hmm. J'ai dit, bon, euh, ces députés de la diaspora-là, ce c'est pas leur faute voilà. si les élections n'ont pas eu lieu. Donc Alors, si oh, les élections ont lieu eux que cinq députés de la diaspora sont élus, mm-hmm. quelle est leur situation On dit non, ils commencent à percevoir leurs frais mhm. au moment où ils s'installent. Ah, C'est-à-dire que j'ai trouvé. Pas... Oui, pas ah, il n'y aura, pas de rappel. Ah non, il n'y aura pas de rappel. Il n'y aura pas de rappel. Ils disent qu'il n'y a pas de rappel. Ils disent que ça n'a aucun sens parce qu'ils mhm. n'ont pas travaillé. Mhm. J'ai dit, bon, euh, je, comprends, mais quand même, c'est pas leur faute. C'est pas de leur faute. Et je pense que. Ils jouir de. Les, électeurs de la diaspora. Voilà, les électeurs de la diaspora méritent quand même un peu plus de. Parce que c'est pas leur faute. Quand le Covid est venu, c'est pas eux qui l'ont amené. N'est-ce pas mhm. Ils ont subi les conséquences. Donc, je pense qu'on peut trouver un moyen pour faire en sorte que. Mhm. Voilà. Pour faire en sorte que ces, députés de la diaspora, là, qu'on puisse un peu. Moi, je ne dis pas de leur faire un rappel mhm. parce qu'effectivement, mhm. mhm. quelqu'un qui n'a pas travaillé, on ne peut, pas, lui faire du rappel. Arimi, comment rattraper donc le temps perdu pour ces députés une fois après l'élection Écoutez, euh, je pense qu'ils doivent commencer à partir de leur élection euh, jusqu'à la fin de la législature en cours. Euh, c'est plus simple mais je pense que c'est ce qui est juste aussi. Mm. Euh, là, c'est déjà un grand pas qui sera franchi mm-hmm. euh, de pouvoir faire euh, voter. parce que après avoir fait les élections pour la diaspora, il faut aussi poser la contribution Mhm. Euh, de la, notre diaspora, mhm. n'est-ce pas, pour euh, mhm. l'évolution, le développement de notre euh, pays. Parce que oui, c'est bon d'avoir des députés qui sont élus, et qui vont désormais émerger Mais qu'est-ce qu'ils vont faire Voilà. Qu'est-ce que, oui, en termes, par exemple, d'impôts, en, termes vraiment de, oui, de débat, en termes de machin, qu'est-ce que la diaspora va apporter de façon concrète de plus Parce qu'on sait que tout le monde envoie des choses à sa famille. Oui, mhm. c'est déjà très bien. Et moi, je suis de ceux qui pensent que c'est déjà quelque chose d'important et qui rentre dans le cadre vraiment des, des, des, des bienfaits de la migration. Mhm, mhm. Mais aussi pour le pays concret qui est là, qui nous appartient tous, n'est-ce pas Si on a des députés, c'est justement ce que ça veut dire. Justement, quels sont les sujets peut-être sur lesquels euh, ils peuvent euh, vraiment... Il y a énormément, il y a énormément parce que, euh, vous savez, on, a, on prétend toujours que les Nigériens, on n'est pas nombreux à l'extérieur. Maintenant, ça sera l'occasion mhm, mhm. Euh, de, de, faire le, point. Mhm. Euh, sous Barré, on nous a même dit que au, Soudan. on serait au moins 3 millions, euh, n'est-ce pas, des pays comme le Ghana. Euh, les Nigériens, ils sont très nombreux, n'est-ce pas Est-ce que certains ont déjà renoncé à leur nationalité nigérienne Voilà, oui, oui, mais c'est bon la double nationalité euh, parce que ça ça, ça, contribue à vraiment beaucoup. Voilà, au Togo, on est extrêmement nombreux et connus. Dans tous les pays, euh, voilà, autant de Nigériens, oui. On n'est pas beaucoup en Europe, mais donc c'est d'abord le rapport. C'est bon de pouvoir vraiment savoir euh, du point de vue du PIB, du point de vue du développement de notre pays, à quoi ça sert. Mais aussi, ils ont, ils ont peut-être un peu de recul par rapport à tout débat, euh, voilà, politique, euh, social et tout. Ils peuvent reposer parce que aussi, ceux qui sont là, traditionnellement, on dit, si tu ne vas pas à l'école, faut te déplacer au mhm, moins. Mhm. Celui qui a quitté chez lui, qui sait comment ça se passe ailleurs, ne peut pas nous l'imposer, mais mhm. peut nous apporter de bien des choses qui se passent. Euh, donc il y a plein, la diaspora c'est extrêmement important pour euh, n'importe quel pays. Il y a des pays aujourd'hui c'est grâce à leur euh, diaspora qu'ils vivent, et il y a des régions dans des pays comme le Mali, c'est grâce à leur euh, diaspora qui se sont carrément mhm. développées. Mhm, mhm. Des villes comme Caille, ils ont inversé la tendance carrément. Et donc, c'est une très bonne chose. Il faut prendre en compte ces des Nigériens et en droit et en devoir. Donc, vraiment, je pense que c'est très important le, débat sur la, sur l'extérieur. Beaucoup de choses vont peut-être ils vont apporter leur euh, pierre à l'édifice, comme on dit. Mais Mouna Diado, les attentes des Nigériens de l'extérieur donc seront énormes vis-à-vis de ces députés qui seront élus après ces élections. Euh, selon vous, vraiment, qu'est-ce qu'ils peuvent faire davantage ou bien de plus pour ces Nigériens de l'extérieur qui sont censés euh, représenter au niveau du Parlement oui, euh, les attentes sont énormes, c'est mm. vrai, puisque euh, une fois élu, il devient les porte-parole euh, de ces Nigériens à l'extérieur. Mm. Et, comme l'a dit Armi, ils connaissent plus la situation de ces Nigériens qui vivent à l'extérieur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire C'est recenser d'abord les différentes les différentes difficultés mm. auxquelles sont confrontés cette euh, diaspora mhm. pour pouvoir amener des solutions. Il faut également essayer peut-être de revoir du côté, puisque euh, les pays, c'est du côté de l'Afrique, du côté de l'Europe, mhm. du côté de, l'Amérique, mhm. comment est-ce qu'il faut faire pour que ces, Nigériens qui sont en tout cas dans ces pays-là puissent évoluer et puissent amener leur contribution euh, pour la bonne marche donc du Niger en termes de développement qu'il faut également accentuer surtout par rapport à cette migration. Oui, oui, sur la migration, parce, que, c'est l'une des questions primordiales, puisqu'on parle de migration, on voit pas, en tout cas, il y a des, des aujourd'hui ces, ces difficultés pour ces Nigériens euh, d'aller vivre dans ces pays mm-hmm. et, et dans ces pays donc à l'extérieur. Donc il faut réviser ou bien il faut revoir certaines termes de conditions auxquelles ces Nigériens sont confrontés en termes de migration mm-hmm. également. Donc c'est vraiment euh, là-bas que les Nigériens les attendent. Mm-hmm. Politiquement également, euh, c'est un relais. Et, et défendre en tout cas ces causes-là, leur apporter les meilleures informations mhm. auxquelles les, Nigériens ne sont pas du tout informés, je me dis des fois, mhm. parce que leur information se limite des fois à travers les réseaux sociaux. Donc ça veut dire que ces Nigériens ont besoin exactement de savoir mhm. qu'est-ce qui se passe ici au Niger en termes d'insécurité, en termes de développement, en termes de santé, en termes d'éducation. Voilà. Oui, Gary. Oui, ce que je voulais dire c'est concernant les réseaux sociaux. Vous savez, ces élections de la elle revêt aussi une symbolique exceptionnelle. Pourquoi je le dis Parce que ça permet de faire comprendre aux Nigériens de la diaspora mm. qu'ils font partie du même pays, du même peuple que le peuple nigérien. Pourquoi je le dis Pourquoi je le dis Parce que mm. aujourd'hui, la plupart des messages de haine, des messages qui appellent à la violence, viennent de l'extérieur, mm-hmm. viennent de la diaspora. des messages qui appellent à brûler le Niger. Mm. Et donc ces élections-là ont une symbolique parce qu'elles permettent normalement à ceux qui vont partir voter de comprendre que on va partir voter mm. pour des députés qui vont venir siéger au sein de l'Assemblée nationale. Ce pays-là ne nous appartient pas. Mm, mm, donc, n'appelons pas les messages pour appeler les gens à s'entretuer ou à appeler à détruire le Niger ou à le brûler mm-hmm. ou à tuer un tel ou un tel. Ces messages-là doivent cesser. Mm-hmm. Nous appartenons au même peuple. Justement, donc, il revient euh, aux responsables des partis politiques aussi de sensibiliser leurs partisans, mm-hmm. Arimi. Oui, euh, justement, je voulais, je dire un mot par rapport à aux partis politiques. Mhm. Moi, ça, leur nombre, leur nombre ne me gêne pas euh, du tout, <laughs> parce que euh, les partis politiques euh, sont créés aussi pour faire savoir leur opinion, par exemple, mhm. n'est-ce pas Pour chacun n'a pas les mêmes compétences. Certains ont la capacité de mobiliser des millions et des millions de personnes, mhm. se faire élire. D'autres ont sont capables d'analyser la situation nationale pour dire concrètement et avoir, malgré tout ce qu'on leur reproche, d'avoir un point de vue constructif pour notre pays. je dirais, au, temps du président Issoufou, je me rappelle, la première, deuxième mandature, il avait 61 partis qui le soutenaient. Mais la plupart, Écoutez, des... ça a euh, toujours été comme ça. Ok, ça a ah, toujours été comme ça. Moi, je pense qu'il faut c'est ça la démocratie, malheureusement. On ne peut pas. La qualité. je vais vous dire. La qualité, dans tout euh, tous les cas, le euh, gars qui n'a pas d'électeur, mhm. il ne peut pas venir à l'Assemblée. Il, ne peut pas venir, il ne peut pas venir euh, devenir président de la République. Et tel que ça marche, il ne peut pas être ministre de la République. Moi, je, moi, je suis pas contre la liberté de. Je ne suis pas contre la liberté de, la liberté de création d'association. Donc, moi, ce que j'ai dit, mais qu'est-ce que ça apporte comme non, Il faut souvent ramener les choses à soi. dit. Nous, ce journalistes, en fait, non, on des nous, opinions, nous reproche, souvent de créer des dizaines et des dizaines de journaux, des titres qui ne valent rien, Mais on est là. Et les gens qui ont ce titre-là se réclament quand même être des journalistes. C'est la même chose pour les politiciens. Ça ne change rien, ça ne nous coûte absolument rien du tout. C'est son problème. N'est-ce hein, pas Parce que dans tous les cas, pour être président, mm-hmm. et euh, pour être candidat même, il faut payer une caution. Mm-hmm. Tant que tu n'amènes pas 5%, on ne te rembourse pas, mm-hmm. et ainsi de suite. Donc vraiment, c'est de la démocratie. Créons le problème. Moi, c'est mon problème, mon problème avec, avec les partis, c'est souvent quand ils n'ont pas d'orientation, quand mhm. ils n'ont pas, euh, comme on dit en Hausa, Bosuda, Akida. Mhm. C'est-à-dire, tu ne sais pas, les gens peuvent aller avec n'importe qui, pour vivre. ils peuvent être nommés, ils peuvent être euh, dans les. voilà. Mhm. Mais ce n'est pas ça, c'est aussi ça la démocratie. Mhm. Il faut faire tel que c'est. Partout, il faut faire. La démocratie, c'est pas faire, c'est pas faire de la politique une boutique ou un mhm. fonds de commerce. Ah non non, non je suis pas d'accord. Ça c'est pas ça le but. Mhm. La, la politique, c'est pas pour venir pour, pour des nominations. Non, c'est pas ça. Pour rester sur le sujet, euh, quel appel vraiment aux partis politiques pour une effectivité de ces élections euh, législatives partielles du 18 juin prochain Pour une euh, effectivité de ces élections, il faut d'abord appeler la CENI pour que ça soit des élections libres et transparentes, mm. d'abord. Et deuxièmement, c'est que il faut également sensibiliser euh, les partis politiques doivent sensibiliser leurs militants mhm. quand même pour la bonne tenue donc de ces élections là. Celui qui perd, qu'il sache qu'il a perdu. Celui qui a gagné, qu'on le félicite et qu'il travaille pour tout le monde, mhm. pour tout le monde. Non, mhm. si si, parce qu'il y a des partis, il y a des partis politiques qui aujourd'hui qui ont des problèmes avec leurs militants, ah euh, avec avec leurs militants. Oui, avec leurs militants diaspora. C'est pour ça que je dis que on appelle au sens donc de devoir, en tout cas de ces partis politiques, pour pouvoir mieux les sensibiliser mhm, mhm, mhm. pour qu'il n'y ait pas, en tout cas, de divergence, qu'il n'y ait pas de tiraillement, parce qu'on ne connaît pas, en tout cas, ces élections au niveau de la diaspora. On n'a jamais connu de problème, euh, quel qu'en soit donc euh, le degré de de, de, euh, rivalité. Et les défis seront énormes pour ces les défis seront énormes pour ces députés. Il faut les sensibiliser en termes de droits, en termes de devoirs, pour qu'ils sachent pourquoi ils ont été élus et pourquoi ils vont représenter en tout cas ces, les, Nigériens de l'extérieur au niveau de l'Assemblée nationale. Qu'on ne vienne pas pour s'asseoir, mais qu'on vienne pour faire les débats mhm. et des débats constructifs en tout cas qui va en tout cas changer ne serait-ce que euh, ce qu'on avait dit au début, euh, la vie donc de ces Nigériens à l'extérieur et également le changement pour aller vers un développement de ce pays. Nous espérons donc euh, que ces élections se passeront vraiment de dans la quiétude le 18 juin prochain. Et c'est ici que prend fin le forum de la presse de ce vendredi 26 mai 2023. Merci à nos invités, Memouna Diado, journaliste indépendante, à Abarimi, journaliste à la radio alternative, Gare Amadou du quotidien La Nation. Merci d'être venu. Merci à vous tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas le rendez-vous, le programme Jeunes, c'est samedi et dimanche dès 17h avec l'actu des jeunes en 5 langues suivi de Tous à la Fada et les samedis et dimanches à partir de 18h15 minutes les forums en langue Hausa et Zerma. La technique a été assurée par Amina Hassan, la régie vidéo Issa Lawali. Je suis fille Adam Sirfou à la modération. Très bon week-end à tous. Au revoir.